Chères auditrices et auditeurs du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans notre émission Le Niger sur Kalangu en ce jeudi 29 août 2024. Je suis Ali Moukela Ouseni alias Seno et avec moi ce matin Mariam Adé pour la présentation. Bonjour Mariam. Bonjour Seno, comment vas-tu Je vais bien, merci. Nous adressons également un petit coucou à ceux qui assistent de l'autre côté de la vitre du studio. À la technique, c'est Amina Hassan et Mousse Hassan à l'édition. Alors, c'est nos quavons nous au programme pour nos fidèles auditeurs ce matin. Eh bien, Mariam, comme d'habitude, nous débutons avec le flash d'information et aujourd'hui, nous avons prévu une bonne dose de musique nigérienne pour faire plaisir à tous nos auditeurs qui sont euh, scotchés actuellement. Il y aura également du loti avec les femmes du studio Kalangu, la passeport, sans oublier la culture linguistique et nous allons clore avec les messages vocaux de nos auditeurs. Nous suivrons ensemble un entretien avec Issouf Agalher, la jeune développement de la commune de Timia. Auditeur du studio Kalangou, nous commençons avec Nafisa Sirfo pour le flash d'information. Bonjour Nafisa. Bonjour Mariam, bonjour Seno. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Le chef d'état-major des armées du Nigeria, le général Christopher Moussa, était hier mercredi 28 août à Niamey pour une visite de travail. À l'issue d'une réunion avec son homologue nigérien, le général Salah Bormou, les deux pays ont convenu d'unir leurs efforts pour lutter contre le phénomène d'insécurité et de circulation des armes afin d'assurer la sécurité tout au long des frontières. Un comité de dialogue pour discuter des problèmes et défis communs aux deux pays et renforcer leur coopération sera mis en place par les deux pays. L'association des promoteurs des radios et télé privées et les éditeurs de la presse indépendante du Niger a été reçue hier par le Premier ministre, la ministre de l'économie et des finances Ali Mahamal Laminzen. Une occasion pour eux de lui faire part des préoccupations des hommes des médias dans le cadre de leur travail. Selon le président de l'association, Ali Idrissa, le Premier ministre a compris leur doléance et a pris des engagements. Il a également pris l'option de mettre un comité qui va travailler quelques jours afin de faire des propositions. Enfin, en sport, les Jeux paralympiques de Paris 2024 sont lancés hier 28 août 2024. Plus de 4000 parasportifs du monde prennent part aux compétitions. Le Niger est représenté par un athlète qui compétira en para-taekwondo. Les Jeux paralympiques prennent fin le 8 septembre prochain. C'est la fin de ce flash d'informations. Bonne suite à vous. Merci infiniment, Nefissa, pour euh, toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé, nous suivrons ensemble euh, un entretien avec Issoufou Agalher, l'agent du développement de la commune de Timia. Nous en saurons plus sur son travail dans un instant. Mais avant, sinon, nous avons soufflé un peu en musique avec euh, le son que tu vas nous proposer. Et bien sûr, euh, Mariam, pour euh, cette première balade en musique, je propose le titre Biano du groupe Eman Kaya. nanana, oh, oh, yeah, na na na. Oh, I'm feeling good. We are feeling like so. Mm, I'm feeling good. Everything starts to look so nice. I am a getting for now, mommy oh. I am a feeling so wonderful now, mama oh. Just wanna live in my beautiful life, mama yeah. Thanks so busy, a beautiful life, mama oh. Just wanna live in my beautiful life, mama yeah. Et eh oui, vous l'aurez compris, chers auditeurs, on va écouter plutôt euh, For Life du groupe MDM Crew en featuring avec euh, la star nigérienne qui vit de l'autre côté des États-Unis. Il s'agit bien de Ismo One. On reviendra après avec euh, euh, le son piano du groupe Eman Kaya. Mais à l'instant, écoutons ces titres. Ah. Oh, way I'm feeling like sir. Mm, I feel good. Everything start to look so nice. I am a beautiful now, mommy oh. I am a feeling so wonderful now, mama oh. Just wanna live in my beautiful life, mama eh. Thanks is so busy, I waiting for life, mama oh. I just wanna live in my beautiful life, mama eh. Thanks is so busy, my beautiful life, mama eh. Paper rolling player, paper rolling player. Na na na na na na. We can live in together, make your life so better. Na na na na na na. Paper rolling player, paper rolling player. Na na na na na na. We can live in together, make your life so better. Bitter for life, bitter for life, bitter for life. I'ma to right, living to right, living to right. Bitter for life, bitter for life, bitter for life. I'ma live to right, living to right, living to write. Oh, I'm feeling good. We are feeling like so. Mm, I'm feeling good. Everything starts to look so nice. I am a beautiful now, mommy. Oh, I am a feeling so wonderful now mama. Oh. Just wanna live in my beautiful life, mama. Hey, thanks so busy, a beautiful life, mama. Oh, I just wanna live in my beautiful life, mama. Hey, thanks so busy, my beautiful life, mama. Hey. When I remember my former life makes me sad. Beautiful life, that's what I live in today. I make you feel alright with my music. Oh yeah you make me feel alright with your claps Like a beauty, beauty for life And you make me feeling, feeling so nice Baby, you are killing with your smile And you make me feeling, feeling so happy Enjoy your life, mm, tant que tu peux yeah. mm, Live your life, forget about a Oh, I'm feeling good, we are feeling like so mm, I feel good, everything starts to look so nice I am a for now, mommy, oh I am a feeling so wonderful now. Mama, oh, just wanna live in my beautiful life. Mama, eh, thanks is so busy, a beautiful life. Mama, oh, I just wanna live in my beautiful life. Mama, eh, thanks is so busy, my beautiful life. Mama, eh, beautiful life, beautiful life, beautiful life. I'ma live it to right, live it to right, live it to right. Beautiful life. Retour au studio après cette pause musicale. Chers auditeurs, passons à la première partie de notre entretien du jour où nous allons nous rendre à Gadeza plus précisément dans la commune de Timia, pour aborder les questions de développement de cette commune avec Issoufa Galher, agent de développement de la dite commune. Il était au micro de Ternan Foudé Ahmed. Voilà, Monsieur Issouf, euh, parlons d'abord du développement, après on va redescendre. Euh, aujourd'hui, quand on parle du développement, comment il se porte au niveau de la commune de Timia euh, Vous savez, la commune de Timia, c'est une commune qui, est, située au cœur de l'Aïr. Et sa particularité, c'est qu'elle est encaissée entre de hautes montagnes et traversée par des grandes vallées. Donc, pour le développement de Timia, nous avons un plan communal développement, appuyé par euh, donc un plan annuel d'investissement qu'on élabore au niveau de la commune euh, euh, avec tous les partenaires et, les villageois. Donc nous avons tous sur tous les secteurs sociaux de base. Donc on prend d'abord notre premier secteur de base ici réel qui est l'agriculture. Et vous savez, c'est Atimia. Et c'est un village, euh, c'est un village, une commune qui a un renommé international sur la production maraîchère, en particulier la production des agrimes. Quand on parle des agrimes, on parle euh, vraiment des productions euh, des oranges, des fruits, les dattes, les mangues, les raisins, etc. Vraiment, qui font la fierté de la région. Et, là, c'est vraiment à l'actif de tous les producteurs et de toutes les administrations. Donc, et là, la, majorité des jeunes ici s'attellent à cette production des agrumes parce que Timia, on a un microclimat qui est favorable à cette production des agrumes. Maintenant, quand vous prenez aussi les autres secteurs, l'élevage. Euh, avant d'arriver aux autres secteurs, revenons à la production des agrumes. Comment elle se porte cette année non, les agrimes, euh, la production elle est excellente, elle se porte bien parce que euh, euh, cette année, vraiment, on a, on a encore ravitaillé le marché de Niamey avec la foire, la place Tomo, la foire annuelle des maraîchers de la région d'Agadez. Et donc, c'est vraiment une activité très importante que la commune, avec l'union des coopératives qu'on organise, c'est des camions qu'on voit ici jusqu'à Niamey et on a euh, vraiment jusqu'à 50 euh, producteurs qui partent à Niamey pour exposer euh, jusqu'à 2000 tonnes de produits entre orange et les autres produits vivriers. Et c'est pour vous dire, et on, chaque année, on fait un chiffre d'affaires qui dépasse vraiment jusqu'à 300 millions en termes de, de production qui, sont vendus à Niamey. Donc n'en parlons pas de ce qu'on vend vers Agadez, Arlit, etc. ou bien euh, qu'on vend ici localement. Donc c'est pour vous dire que euh, cette filière, euh, l'agrimicole, je vous dis, on est avancé là-dessus et on compte, on a un projet très important dans la commune sur l'installation d'une usine de, traitement et une usine de transformation de J. Donc, euh, je disais, on a, une usine, on a le projet de création d'une usine de transformation des, Et des C'est pour cette usine elle sera créée ah, C'est en cours parce qu'on a déjà, euh, comment on appelle ça, des chambres de conservation qu'on a eu avec un partenaire. Elles sont climatisées, elles sont là, elles accueillent déjà les produits pour les conserver. Maintenant, on est en train de boucler les projets, on a déjà une partie des financements pour créer cette entreprise-là, pour avoir vraiment localement les jus. Et une fois fait, on n'a plus besoin d'importer un jus donc de quel que soit de l'étranger et il sera dans tous les pays. Donc ça veut dire qu'à soit tu de des jus naturels en, orange, en naturel, ou bien des jus qui est conservé et emballé et, vendu à l'intérieur du pays. C'est ça notre objectif qu'on s'est fixé et nous sommes là d'ici. Voilà, chers auditeurs, avant de poursuivre avec euh, l'entretien, prenons encore une fois de plus euh, une petite pause musicale et cette fois-ci avec euh, le titre que je venais tout à l'heure d'annoncer. Il s'agit du titre piano du groupe Eman Kaya. C'est parti. zo ka zo ka sha zariya dan biya haka ne ya kasu da maso sha zariya biya ga tutar gabas ta yamma sai dai biyan haka ne ya kasance maso mu karawa ta gato ya ke buga mana kan zan mu sha zariya biya wani ke buga mana kan zan mu taka rawa biya ke buga mana kan zan mu taka rawa ta gato gare ka ta kudu alasassa wajen testa yin taka rawa moi je porte des bouts c'est que c'est sombre les on est tous à kashi zo mu she ku shafa mu she ka abarka a baya ina laye ka gaban ka kamata ka sa laye ka ina alban ka gaban ka kamata ka sa alban ka ina tukuni ta su saba in ka dar ma gari ga kura daga mashi kai da mara dar mata mu tun tuba sa kai ka daga ka ashe dumul jazariya fa mu jazariya zariya zariya jazariya zariya zariya jazariya zariya zariya la fête de bien se passe comme ça Jazeria, Zeria, Zeria. La fête de bien, la fête de l'année pour l'année des années. Ça c'est pas chaque année de l'année, ça c'est fait chaque année. Chaque année, kaji ka sai da ma cité. Kai yaro ka zo mu taka dan biyano. Haka ne ya kasance mu zo mu taka rawa biyano. Kai yaro ka zo ka sha zariya dan biyano. Haka ne ya kasance mu zo mu sha zariya biyano. Ga tutar gabas da yamma sai dai biyano. haka ne ya kasance mu zo mu taka rawa ta gado ya ke yi mana kan zan mu sha sari ya biya mu ya ke yi mana kan zan mu taka rawa biya mu ya ke yi mana kan zan mu taka rawa ta gado Allah illallah kaji Muhammadu ni dai na kire ka sarki Allah Allah dai ya bacin rana Dans ce groupe, dans ce morceau, le groupe Emankayan décrit comment la fête de Dianou est célébrée chaque année dans la région d'Agadez. Et oui, les membres du groupe euh, décrivent également surtout euh, les différentes festivités qui animent cette fête, notamment le style vestimentaire traditionnel propre à la culture touareg, les rythmes musicaux sur lesquels danse la population à longueur de journée et même la nuit, les différents partages, les différents partages de joie dans un climat de cohésion et de pur bonheur. mu ya zan mu taka rawa ke buga mu ya kan zan mu taka rawa ta gado Jazeria, zeria, zeria Jazeria, zeria, zeria Jazeria, zeria, zeria Jazeria, zeria, zeria Voilà, à l'instant, c'était bien le titre euh, Biano, chanté par le groupe Ekman Kaya, tout en espérant que vous avez aimé ce titre. Chers auditeurs, euh, on va repartir euh, avec la deuxième partie de l'entretien. Et dans, cette deuxième partie, le concerné, bien évidemment, excusez-moi, met l'accent sur les productions agricoles à venir de la commune de Timia et de leurs expositions à la foire qu'ils organisent chaque année à Niamey, toujours au micro de Tarnan Foudé. Voilà, maintenant par rapport à, la foire de Niamey pour l'année à venir ou bien pour la foire à venir, qu'est-ce que vous préparez déjà Parce que cette année, on parle des manques d'eau. Est-ce que vous avez de bonnes espérances oui, on a des bonnes expériences parce que déjà les agrimes, euh, vous savez, sont en période euh, où, les graines sont avancées. déjà le produit il est là. Maintenant, c'est, il reste à, mûrir. C'est une étape où il faut avoir beaucoup d'eau. Et quand on parle de l'eau, là, c'est, on attend la pluviométrie. Nous sommes dans le moment de cette pluviométrie-là. Et déjà, on sait bien que dans l'Aïr, c'est le mois d'août là qu'on attend à tout. Donc, tant que euh, le mois d'août n'a pas passé, donc on a toujours vraiment l'espoir. Donc, on a toujours l'espoir d'avoir de, l'eau. Maintenant, euh, pour la foire, je, euh, vais vous dire qu'on est avancé parce qu'avec la communauté urbaine de Niamey, on a eu une place. Déjà, cette place-là, elle sera dédiée à la commune de Timia pour que ce soit définitivement une place où nos producteurs vont aller euh, exposer leurs produits et sans aucun problème. Donc parce qu'aujourd'hui les places de euh, les autres places comme Grand Marché sont saturées. Donc on a fait des demandes au nom de l'Union, des, producteurs, au nom de la mairie pour avoir vraiment euh, des parcelles, des grandes parcelles et c'est acquis. Euh, on parle aussi d'un problème, celui d'utilisation des gaz euh, au niveau de vos jardins. Oh, euh, effectivement, ça c'est un problème récurrent. Vous savez, au niveau de certains, comme je vous dis tout à l'heure, je vous expliquais la position de la nappe. Ici, il y a certains contrées, pas toutes, où la nappe elle peut descendre jusqu'à 20 mètres. 30 mètres. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils font Ils font ce qu'on appelle un contre-puits. On fait un autre puits à côté pour descendre la motopompe. Maintenant, dans certaines localités, ils n'ont pas les moyens, ceux qui ont les puits au niveau des courries. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font ils, ils, font descendre la motopompe jusqu'à 2 mètres avant l'eau. Donc, pour démarrer la motopompe, il faut descendre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Si l'essence c'est-à-dire l'essence, il tombe dans l'eau. Il crée une réaction chimique, un gaz euh, euh, monoxyde qui est dangereux. Maintenant, les jeunes, quand ils descendent pour démarrer la motopompe ou bien pour l'arrêter, ils sont euh, asphyxiés. Et souvent, il y, y, a des morts qu'on trouve. Et on sensibilise chaque fois les jeunes pour se protéger ou bien les producteurs faire des contre-puits quand on a un contre puis un contre puis ça veut dire un deuxième puits qui n'atteint pas l'eau, où on met seulement la motopompe qui est aérée. Là, le problème euh, est moindre. parlons de l'eau. Est-ce qu'au niveau des jardins, cette année, vous avez rencontré les problèmes euh, de l'eau Oui, si, si, dans les jardins aujourd'hui, il y a des problèmes d'eau parce que tu, tu fais un tour au niveau des jardins, tout le monde est en circulation. On cherche, on descend. Euh, sous la terre pour chercher l'eau. Et il y a même des jardins qui sont dans d'autres communes qui sont abandonnés par manque d'eau, certaines vallées. Donc vraiment, il y a un problème crucial dans d'eau au niveau des, des jardins. la saison jusque-là, elle n'est pas arrivée. Les premières pluies, vous n'en avez pas encore acquis ah On a eu les premières pluies, elles ne sont pas fortes, mais on attend. Il y a, a l'atmosphère qui montre qu'on euh, peut avoir de l'eau. Donc, nous sommes en juillet et, la saison ici d'Alaïr peut aller jusqu'à jusqu'à 15 septembre. Donc, on, a toujours euh, euh, vraiment euh, la garantie qu'on peut avoir de l'eau. Et ici, la particularité, dès qu'on a trois écoulements, quatre écoulements, la se s'est Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de votre émission Le Niger sur Kalangu et aujourd'hui on va parler de l'éducation. Oui, Mariam, euh, dans la rubrique éducation de ce matin, nous allons à la découverte de l'internat des jeunes filles de Kélé, situé à 140 km de Zander. Dans le département de Gouré, l'internat de Kélé, inauguré en 2021, accueille plus de 300 jeunes filles de la 6e à la 4e. L'internat constitue une réponse efficace aux problèmes de mentorat auxquels font face les jeunes élèves en milieu rural. Plus de précisions dans cette interview qu'a accordé Ibrahiaou, le proviseur du CC de Kélé à Fanta Chamsou. Malam Ibrahim kenan muna son mu kuma daga bakin ku karin bayani akan ita wannan makarantar da 'yan matan da ke zauwa a cikin makarantar. Lakwar ɗin da farko dai sai eje ne aka bude shi a 2002 e, eh, kuma wannan sai ejen ya koma CAS a 2022 2022 2022 to a yau wannan ekol din yana da jimillar mutane 628 wannan yawan yara da za mu ce tufarkalla da allah ya sa lakwal ɗin wannan take da kwai shi yana da dangantaka da wannan internet da aka buɗe tunda da da in kun diba can baya lakwal ɗin nan ba ta da jama'a da yawa saboda mai saboda duk allahirin 'yan mata da suke samu sai ffd ba su samun damar zauwa su yi karatu saboda matsalan twitter e eh, to babu twitter shi ne ma ya sa tunda kuma kun yi sulunyen shi aka buɗe wani intanet din to ma sha allahu yau kaga mu ne har da mutane 628 dalilin buɗewa wani intanet ɗin to in ka diba a cikin 628 eh, ɗin wannan 319 dukkansu yara ne na interna kuma 'yan mata kenan alhali fiye da kashi hamsin cikin ɗari na yaran da muke da kwai a nan eh, cos tamu ta kyalle to duka yara ne na interna daga ina suke yawancinsu daga ina aka fi kawo muku kuke zuwa ku nemo su kuma a nan cikin internet lakwal kin take ko kuma lakwal in daban take internet kin daban take suna zo mana da duk garuruka da suke cikin komin din kyalle eh, wanda suke nesa da mu in ba eh, na manta ba kaɗan da ko wanda suke kilo eh, gomiya tara da takwas da suke zawa daga nan wanda suke zo mana daga kusa su ne kiringim kiringim na kilo goma ya tara da takwas kenan kun gani nesa ne to muna da kwai yaran suke zawa daga can wanda suke mafi kusa su ne suna zawa daga garuruka masu nisan kilo shida kilo bakwai to abin da nake so in sani kamar ya ake samun shiga a cikin internakin ku ke nemo su yaran nan ko kuma iyayensu ke kawo su in kuma akwai waɗanda laifaron son retisan comment vous procedure. Mm, to masha allahu Eh, amsa wannan tambayar dai ita ce eh, daga sama dai babu wani kiritar da yake cewa yaro mai eh, yaro kaza ne ya kamata su shigo cikin interna mu muna daukan duk yara wanda suka fito daga komin din kyalle banda 'yan kyalle gari duk wanda suke garuruka na cikin komin din kadai yan kyalle ne ba su shiga tun da su iyansu suna nan tare da su go mhm. yawar to duk wanda suke cikin kyalle komin da kyalle garuruka mun gaya muku wanda suke da gomiya tara mhm. eh, kilo gomiya tara da kilo shida duka da wanda suke ciki suna zawwa kenan babu wani kirita eh, kuma su suke zawwa muna convocation ne duka yaran suna zawwa daga an yi orientation duka muna yi musu convocation su zo su eh, kenan babu wani kirita takamamme duka ne in an yi mun samu wanga decision na orientation et on fait de convocation mun kai convocation duka ara suna zauwa ba biya kuma eh ba ba biya ba za mu cewa directement mahimmancin karatun 'ya'ya mata wannan kowa ya san shi amma 'ya'ya mata su zauna a cikin internet su karatu menene fa'ida a ciki lalle kam eh, sai in ce zama yaran mata a internet su karatu yana da fa'ida sosai na farko oh, babbar fa'ida da zani ce et une sous zo internet elles sont sécurisées mhm. et elles profitent vraiment de la sécurité et c'est pas comme en ville là où elles seront perturbées entre griffes <laughs> par des petits garçons puisque nous avons des mhm. filles tous euh, vraiment elles sont sécurisées ici elles sont bien nourries elles sont mises dans des conditions vraiment favorables pour étudier Merci Fanta Chamsou pour la rubrique éducation. Chers auditeurs, nous allons une fois de plus souffler en musique avec cette chanson tradie moderne du groupe Mamar Kassé, dit Yakuba Danke Dada d'Adeyume pour vous, chers auditeurs. ka fungu kula ga jirbi Allah jirbi mai sa tunanni jinna tunanni kula ga kowa kula manin sai ya rayu Allah balle na mu da dai umme da dai umme da dai umme balle sai kasina kun sikala balle sai hallo kanto balle Dadei est le titre de cette chanson que vous êtes en train d'écouter, un morceau très époustouflant du groupe Mamar Kassé avec un mélange de différents instruments locaux très agréable à écouter, n'est-ce pas Sénon Oui Mariam, euh, personnellement j'adore surtout le son de sa flûte qui donne une couleur de vie en zone nomade. Normal, c'est il faut retenir que Yakuba Moumouni Dengue Dengue fit un berger durant son enfance, puis quitte sa famille à la mort de son père pour rejoindre la capitale Niamey. Il exerce le métier de voix chez la chanteuse Hamsatou Dante, dite Niazongo, qui initie à la musique. Eh, eh, تغلازة Voilà, Dada Yahoumé, tout en espérant que vous avez bien dansé sur cette belle sonorité musicale de l'artiste Mamar Denke Denke. Retour au studio après cette euh, belle musique pour suivre notre reportage en région, qui nous amène à Difa où la mauvaise compréhension des règles régissant les ressources partagées a un impact négatif au sein des communautés. Oui, mais sinon, il y a une façon de prévenir et de gérer cet état de fait, comme l'explique Kasuma Abba Fadie, le secrétaire permanent de la commission foncière communale Kofokom de Gingimi. Il est interrogé par Abdoulaye Mena. Mais connaissant les textes, les jeunes sont souvent à l'origine de conflits autour des ressources partagées. Kassoum Abafadaï, secrétaire permanent de la commission foncière communale de Ningimi, explique à ces jeunes le voie à suivre pour éviter tout conflit. Ce que je veux dire aux jeunes, c'est d'éviter d'aller faire des champs ou à côté de ces ressources partagées des champs. Ce qui irrémédiablement, ça va aboutir à des conflits. Les couloirs de passage, les aires de pâturage, les points d'eau, les forêts classées, les aires de repos des animaux, tout ça là, c'est réservé aux animaux, pas à l'agriculture. Et pour les éleveurs aussi, il ne faut pas qu'ils introduisent leurs animaux dans les champs. En l'absence de l'agriculteur. Ça dégénère en conflit, les dégâts champêtres. Lorsque les conflits survient, le sang se verse, le vivre ensemble se détériore. Mais il y a une façon de régler un conflit à l'amiable. Kassoum Abafadaï, secrétaire permanent de la COFOCOM, explique le cheminement à suivre par le jeune ou toute autre personne. Face à cette situation, automatiquement, quand vous avez des dégâts champêtres et autres qui sont préjudiciables, il faut saisir, en passant par la COFO, la chefferie traditionnelle, qui sont en charge de conciliation. Au sein de la chefferie traditionnelle, il y a des commissions paritaires qui sont composées d'un groupe d'agriculteurs et d'un groupe d'éleveurs. Maintenant, chaque groupe, c'est le même nombre. S'il y a 5 agriculteurs, de l'autre côté, il y aura aussi 5 éleveurs. Si c'est 10, c'est 10. Alors, c'est eux qui font la conciliation. Maintenant, une fois que la conciliation est faite, la chefferie traditionnelle doit dresser procès verbal. Il doit soumettre une copie à la justice, une copie à la COFO, une copie à la préfecture. Maintenant, ça, ça a une autorité de la chose jugée. Comme on le voit, le conflit autour des ressources partagées sont susceptibles d'être prévenus, notamment chez les jeunes, en respectant les lois le régissant. Mais même si le conflit surgit, il y a des procédures à suivre où les deux parties sont toutes gagnantes. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Place à présent à la page du sport avec notre chroniqueur sportif Salamot Kadiri. Bonjour Salamatou. Bonjour Mariam, bonjour nous. Bonjour Salamatou. Alors Salamatou, le TGV de Mayaï est actuellement dans sa phase de demi-finale. Effectivement, c'est nous. Mardi dernier, la première demi-finale a opposé l'équipe de Zongo à celle d'Akokana de Mayaï. Un match réduisant empreinte de fair play qui a captivé le public. À la fin du match, Zongo de Mayaï a battu Akokana de Mayaï subi à zéro, C'est qualifié ainsi pour la finale. Écoutons la réaction des deux capitaines d'Akokana et de Zongo de Mayaï au micro de Issoufou Shaibu. Wannan TGB da aka shirya saboda Allah yana da mahimmanci tunda mu a nan ne muke dibawa mu selectioner yaran da ya kamata wakilta jiha mai kuma akwai yara matasa maji gaba anda in an kama musu da kamuwa tamu da kamuwa magabata suna iya su wani abu akwai da yawa yara suna da wannan dan gyara da za a musu ba wani mai yawa bane kalilan ne amma su ma sai in yaran sun bada haɗin kai tunda ba a yiwuwa mu mun ba da haɗin kai su ba su ba da haɗin kai ba abin ta daidai da ake so kenan sai sun haɗa kansu mu ma sun ba mu haɗin kai sannan a samu a cimma abin da ake ni Salam toute l'équipe nationale du Niger, le MENA est prête pour les éliminatoires de la Cannes 2025 au Maroc. Et oui, Mariam, le Niger est logé dans le groupe F avec le Ghana, le Soudan et l'Angola, trois grandes nations à ne pas négliger. Les deux premières journées se joueront en septembre, le 4 septembre à Juda, au Soudan du Sud, et le 9 à Berkane, au Maroc, face au Black Star du Ghana. Écoutons, l'analyste Lawali Garba nous explique les chances du MENA dans ces compétitions africaines. Par rapport aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025, le Niger est logé dans le groupe F composé du Ghana, du Soudan et de l'Angola. Donc euh, ce sont ces pays-là qui seront en confrontation avec le Niger dans le groupe F. Pour cette année, il y aura 12 groupes composés de 4 nations. Chaque groupe va qualifier 2 nations à l'exception du groupe B où est logé le Maroc. Là-bas c'est un seul, on voudra quoi parce que le Maroc est déjà qualifié le 4 septembre, le Niger, il sera reçu par le Soudan et ensuite, euh, ils vont aller recevoir euh, le Ghana le 9 au Maroc. Dans cette poule, il faut mettre de la persévérance. On veut deux, le Ghana et le Niger le Soudan, l'Angola. Donc le Niger, avec un peu plus de hargne, peut se qualifier dans ce groupe F. Donc d'ores et déjà, je pense que les techniciens se sont attelés à la tâche pour pouvoir choisir les meilleurs du moment, des conquérants, pour aller à l'assaut de ces deux matchs. C'est les matchs les plus importants, celui du Soudan et contre le Ghana. Donc il faut vraiment savoir gérer ce calendrier pour euh, se qualifier encore, donner la joie au peuple nigérien. Voilà, c'est tout pour le sport d'aujourd'hui. Je vous retrouve demain, même heure, même calendrier. Bye bye. Merci, Salamatou. À très bientôt, à demain. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez actuellement l'émission Les Niger sur Kalangou il est 11h passé de 38 minutes et c'est l'heure du portrait du jour. Mariam, tu nous présentes qui ce matin C'est nos directions à où Anissé Karim nous amène à la découverte d'une jeune fille handicapée, locomotrice, qui fait du métier de, tricotage à son activité génératrice de revenus. Elle confectionne des habits de froid pour enfants dans l'objectif d'être autonome sans mendier, suivant son portrait. mai matsakaicin tsawo fatarta mai duhu zaune cikin ma'aikatarta a gaban inshinta na saƙa maimuna isa tana sana'ar saƙa tun lokacin da take da shekaru goma sha bakwai da aihuwa shekara ta ashirin da bakwai gurgunci ya sami tun ina shekara ɗaya ni sana'a ta saƙa kayan sanyi na yara na koyi wuga sana'a a wurin ma'aikiyata ita koya wani wanga aiki da farko da hannu nake yi yadda nake wuga sana'a ina na tafi kasuwa sai in so da zare da jikka kuɗi da rabi sai in zo in buga kwamfule uku da ita kwamfulan hawa hawa ne akwai na jikka shidda akwai na jikka takwas idan na saida ina samun riba wani ka samu riba jikka biyar wani ka samu riba jikka hudu riba ne in ta samu tana mana amfani mai yawa a cikin aikin ta na saka da take yi da hannu maimuna ta yi nasarar tara kuɗaɗe da suka bata damar sayan inji domin ta bunƙasa aikin nata ta hakan ta taimaka wajen horar da wasu 'yan mata masu koyan aiki da mata masu nakasa da ke da bukatar koyon wannan sana'a da nake da da farko da hannu nake yi riba nan nake tarawa na sayo ga mashin ta saka hannu ta kayan sanyi na yara jikka tamanin tana mana aikin da nake so a sati guda inda zan iya kumfile goma sha biyu da ita amma da da inda hannu ne kwana goma kumfile baka ida shi ba yanzu da samu mashin ina samun riba da dama tana mana amfani sosai duk cikin riba nan ce nake samu sai mai yara wani big wani arruwa wani lakire duk abin da kamata na lakwal shi nake samu cikin riba nan ce nake sai mai yara kuma mu sai abinci yau gashi yanzu ina da wuri na na aiki na kai na ina saka gata akwai guragu ga yan uwana da yawa kamar cikin su suna bara amma su za su barin bara za su komo su koyo ga sana'a Wasu abokan hulɗarta da muka tambaya sun bayyana jin daɗin su a game da aikin maimuna. Duka kayan ɗiyata gaskiya in lokacin sanyi ya yi haka wurin da nake sai da saƙa min na hannu ko kuma na inji dai wanda nake so wurin ta nake sai gaskiya na yaba da kayanta. A kayanta masu kyau ne wallahi. Ni kirki ni ba su lalacewa. Kullum wurin da muke sai suna kare yaro da sanyi. Sai dai maimuna na fuskantar matsala dangane da sayar da kayayyakin nata. To mu yanzu matsalar mu kayan sanyi ga in ɗari ya wuce in lokacin zahi ya zo ba a ma sayin su. Sai da mu ta ajiye su kuma sai in wani sanyi ya komo. A yanzu yanzu ina tunani sana'ar da zani in zahi ya zo wadda ta rika mini amfani cikin rayuwata duk da kan in je in bara ne kaga ina ga sana'a fatan muna shine ta ga dukkan mata da 'yan mata na kasasu sun barbara domin su koyi aikin hannu Voilà, chers auditeurs, euh, à présent, nous allons boucler notre playlist musicale. Et Mariam, ça sera euh, quoi que nous allons proposer à nos auditeurs Ternan, écoutons Efikrat de l'Aïr ou bien Étoile de l'Aïr. la ville d'Agadez, ce groupe met l'accent sur l'ambiance lors euh, de mariages, baptêmes, événements politiques, soirées en plein air, etc. Le groupe s'est formé en 1995 et fonctionne comme un collectif familial. Voilà, chers auditeurs, euh, tout en espérant que vous avez kiffé cette belle sonorité musicale de l'Aïr. Alors, Mariam, on va poursuivre notre émission cette fois-ci avec la, la rubrique Lotti. Alors, c'est quoi le sujet du jour? On va parler de la cuisine, c'est qui une pièce ou une partie des pièce utilisées pour la préparation des aliments dans une habitation, un service ou un établissement commercial. C'est donc un endroit qui mérite une attention particulière, notamment de la mère de famille, car le bien-être de la bonne car le bien-être et la bonne santé de toute la famille en dépend. À travers cette rubrique Loti, l'équipe femme du studio Kalangu attire l'attention des femmes sur le sujet. Écoutons plutôt. Matsuki-ji, Matsuki-ji, Matsuki-ji, Hey! matsuki kaɗan wannan ai na wa'anda ba na gagaye ne kumya hmm. to tsayawan wanke hannu na mu dawo mu ci gaba da hira aikin sa hanya ika ma gidanki kike hmm. yi subhanallahi me nake gani gambi gambi ne mi aka yi wallahi kin bani tsoro ne. me wannan kicin kin naki ban gane ba nye biki gane ban gane ba me nake gani a gabana haka ke a'a ke me kike gani hmm. ba komai wai ke kina da hankali ma ba ki ganin yanayin da kicin kinki yake ciki duba wannan saltan da Allah ai saboda yanzu na gama girki ko ba yanzu muka ci abinci ba ko dan kwana muka tashi muka huta ba mm, mm, mm, duba yanda salte suka yi yawa cikin wannan kicin naki ba kya ce mini ba dai na dahuwar yau ne hey duba kwanoninki duba farantin nan ki yadda suka taru kuma suke da salte kamar dai an yi shekara dubu ba a yi wanke wanke ba a gidan nan wai wai wai wai ke jama da Allah dan annabi ki shaha min lahiya baki nan gani da bani da kowa da zai taimaka mini tsakanin aiki kula da yara da gida gaskiya bani da lokacin gyaran kicin gaskiya mm, mm. wallahi kina bani mamaki baki da lokaci ai dai kuma gidanki ne ko ya kamata a ce shi ma wurin nan ya kamata a kula da shi kamar yadda kike kula da ko ina kuma wurin ga shi ne ma ya kamata na farko da ya kamata yayi tsabta tunda daga nan ne in abu ya hita sai baki ha bai hankalinki bai tashi ma saboda lafiyar iyalinki kaka rashin wanke kwanoni zai shafi rashin lafiyar gidana dokan halayyar rashin tsafta da kuma rashin kula da lafiyar mutane yana iya kawo miki yaɗuwar cututtukan da za ta laƙe ga abinci kuma daga baya ya kawo miki wani illa a cikin lafiyarki. Ah, da gaske kike? Eh mana. To yaya zan yi in kiyaye tsafta cikin kicin ina kuma? Kin san ana ganin mafi girman yaduwar cututtuka a ɗanyen wurare ne. Misali sosan wanke-wanke, kyalle, magudanar ruwa da famfo da kwanoni masu salte. Fara da zubar da tarkacen nan da ragowar abinci yadda ya kamata. kuma ku wanke kwanoninku nan da nan shine mafi mahimmanci shafe wurin dafuwarku da sabuli da ruwa goge teburin da kike yanke kayan miya tsaftace duk wani wuri da suka hada da kofofin firji fur kiziniyar da dai sauran kayan aiki ke kar a ajiye shara a wuraren da ake dafa abinci kamar wannan cikakken kwandon shara da ke bani takaici kamar in kece ki da mari kuma kina iya ajiye shi can gaba kuma a rufe shi da kyau don gujewa jawo ƙwari. zaɓi samfurin da ya dace don tsaftacewa ko maganin da ake ce ma javel don kashe ƙwayoyin cuta amma a mafi yawan lokuta sabulu da ruwa ma kawai ya wadatar wai wai wai wanga abu duka kin ga gambi ki kula da lafiyarki da kuma ta iyalinki kuma ki san da cewa lafiya jari ce shikenan to zan gani in zan iyawa gaskiya wallahi ni na gaji Gambi kina bani takaici. In an ganki ga kinan tsab tsab tsab a waje amma kicin kinki takaici. Mm, Allah abun takaicen kuma. Ya ma wuce nan. Hmm, to, ina sauraron ki. Me ya sauran shawarin da zaki bani don in kiyaye wata dauɗa da wasu ƙwari cikin kicin ina? Kinga, Za ki iya ajiye kayan aiki da kayan da ake amfani da su wajen tsabtacewa a kusa da inda za a yi amfani da su. A rika tsabtace kayan abinci akai-akai a wuraren da ake ajiye busassun abinci kamar su taliya, shinkafa, gwangwanayen abinci da hatsi da dai sauransu don hana taruwar kwari da dai sauran cututtuka. A zub da sharar gida kai-akai kuma da kyau. Halayya ce da wallahi barinta yana da wuya. kuma tunda ina zauwa wata ran daga wurin aiki cikin gajiya sai kawai in manta da lokaci nan da nan dare ya yi ba ni maganin maganin lahina cikin duk wannan abubuwa wallahi a gaskiya ba abu ba ne mai sauki akasin haka aiki ne mai yawa amma ana iya amfani da bicarbonate farin vinegar ko kuma lemun tsami a gauraya shi da ruwan dumi-dumi kaɗan da gishiri don wanke maiko-maikon da ke cikin kicin kinki shi kenan wannan in kika yi shi kin ga ba ƙyoya ba wani cewa ka gashi. to abin ta bakin ki da sauƙin yi amma dai na san da dowa da an ka yi sai na kama jikina sai na sa kuzari saboda tana yiwa a ce kullum da an kaga cin abinci zan yin shi kawai ya kamata dai in dai saba ne. Mhm. ko kefa kin ga a hakan kwalisa ki heta cika <laughs> gaskiya ko jama na gode insha Allah zan kula da kicin ina da duk abin da ya saura Allah ya hiye miki ba haka ba mijin ke ka miki kishi ni da na san hakan za a yi da ke bude baki sai zan kishi chers auditeurs, c'était là le loti du jour. Poursuivons cette fois-ci avec euh, la culture linguistique et ça sera avec Nyali en langue fulfulde qui nous explique euh, la signification de l'expression blog. Bonjour Nyali. Bonjour Seino, bonjour Marian, bonjour chères auditrices et chers auditeurs du Niger sur Kalangou. Bienvenue à notre rubrique culture linguistique de ce jeudi. Notre mot du jour, comme déjà annoncé, est blog ce mot a été expliqué en français, en anglais, en hausa, en germain et aujourd'hui nous l'expliquerons en fulfulde. bandiraɓe barkinaɓe hettinaniɓe sigilaji studio kalangu et niger sur kalangu kordiam wiyte et Monon. hande min gari de konngol blog konngol nder françire konngol duni fa hannden gol bien enen du nder fulfulde wecco internet wecco internet wo duni fa ko neɗɗo joɗɗina dow internet o enda noon winda hokkude habaruji goynade are na feccididde andal ko watta woɓɓe gi'a nawtoro nafu capanɗe tati e go'o lewru ut hitani fuu ɗum waɗata batu ñalowma ittanaɗo joɗɗinɓe becce internet mu'un na bi en blog o enda ni gam nawtorade becce internet ɗe enda nder leyɗe duniyaru bandiraɓe nde oɗon goodi internet Voilà, merci Niali euh, pour euh, ces éclaircissements. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots expressions dont vous voudrez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en fulfulde, tamajeka. n'hésitez pas à laisser un vocal au message au numéro 82 89 89 64. Et justement, nous allons écouter les messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangou. Studio Kalangou vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangou vous écoute. Message des auditeurs. C'est Ibrahim Idrissa, président du Conseil régional de la jeunesse d'Agadez. C'est un programme qui est intéressant et que vraiment ça avantage euh, vu les sujets que vous abordez. Donc, qui sont vraiment des sujets qu'on ne trouve pas dans d'autres radios. Partez en contact euh, avec la population et les couches sociales et vous remontez donc des informations. Vous faites passer des débats qui sont vraiment, à mon avis, qui éveillent la conscience des gens. J'ai former le vœu des nouvel an à toute euh, la population. Et je pris que cette année soit vraiment une année de, de libération pour notre pays. Et que donc j'appelle la jeunesse au travail, rien que le travail. C'est de cette façon-là que notre révolution va passer et que euh, la raison nous sera. Donc euh, il faut que sur tous les fronts, euh, on a parlé de l'exploitation agricole, donc la terre. Il faut retourner sur la terre pour produire ce que nous allons euh, manger, pour que le pays ne soit plus euh, dépendant des autres importations, surtout en produits alimentaires. Donc au studio Kalangou, je souhaite, je ne sais pas si le programme le permet d'avoir d'élargir votre intervention au niveau de la région, vu donc la pertinence des sujets que vous abordez. na bisa takarda eh, suna na umar hussein shirye shiryen studio kalango yana yi gaskiya muna sauraron shi kwarai muke sauraron shi muna ba da goyon baya eh, bis dari bis dari. ya halshe biyar ai akwai kokarin ƙari a kara ma wani halshe guda ma ya zama halshe shida samu na kanuri ka ga yanzu babu kanuri cika muna da yawa akwai kanuri nan da yawa da suna sauraren shi wallahi fatan da muka musu Allah ka mu zaman lafiya cikin kasar mu da kwanciyar hankali Allah ya taimaka mu wanga shugaban nan namu abun da suka doko na alferi Allah ubangiji ya sa su ci gaba da shi insha Allah akwai wanda yake gaida ko abokaina na maradi da na na agadas da na yami duka ina da abokai ta ko ina duk dan fuwar wanda a cikin niger yan fuwar dai duka ina gaida su ivoirian ne yana gaida su da yawa da an ce ivoirian sun sani duk wani dan fuwar wanda yake cikin Nijar ina gaida shi eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu yan studio kalangu da fatan ana cikin koshin lafiya sunana samin mai kabu kawo bakin likita nan duci ina jin daɗin shirye-shiryen abubuwan da ƙyan studio kalango suke yi da swahiya da marece sannan ba zan manta da ƴan kawo kawo ba na bakin likita da ƙyan adaidaita na bakin likita da masu shagunan da bakin likita har da uwa uba mai farkin ga inda bakin likita da masu farmasin da bakin likita har da likitocin da cikin likita gaskiya mu jin daɗin shirye-shiryen da ake nan yi studio kalangu Allah ubangiji sa wannan shirin ya dore har illa masha Allah Allah ya sa kuma su ƙara kawo mana ci gaba a cikin shirye-shiryen da suke yi don saboda duk wanda ke sauraron studio kalangu duk da an kai sai ya karu da wani abu sunana muhammadu Alhassan ina da lakarin suna a roma bidiyo studio kalangu alhamdulillah gaskiya muka saurare eh, shirye-shiryen su gaskiya muna jin daɗin wannan shirye-shiryen kin ballantana bisa ga irin labarun da suka kawa da kuma hal suka hal shekara kala wanda duk kowa kaga in hausa kake ji ka ji a faransanci kana ji akwai hillanci akwai buzanci akwai zarwanci kaga kusan eh, harshen duka na ƙasa kowanne na jin irin yadda aiki nasu yake tafiya Voilà, chers auditeurs, euh, nous arrivons à la fin de cette édition de notre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Mariam Adé et moi-même, Ali Munkela Ousseini. À demain pour un nouveau numéro. À la technique, c'était Aminasa et Moussa à l'édition. Excellente journée à vous, chers auditeurs.